Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Isidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Le bilan l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, tous secteurs confondus. À suivre dans le Forum de la presse, le bilan de l'attaque lundi d'une position des forces de défense et de sécurité par des hommes armés dans le département de Etera, région de Tilaberi. L'actualité c'est aussi le bilan des inondations pour le mois de juillet 2024, un bilan dressé par le Bureau de coordination des affaires humanitaires au Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Mokhtar. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum du studio Kalangou commence dans un instant. Le 26 juillet 2023, une nouvelle page de l'histoire sociopolitique du Niger s'est ouverte avec l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à travers un coup d'État dirigé par le général de brigade Abdraman Chani. Ce coup d'État, favorablement accueilli par de nombreuses populations au Niger, a été mal perçu par des puissances occidentales et des organisations sous-régionales, notamment la CDAO et l'UMOA. Ces dernières ont adopté une série de sanctions économiques et financières. Memouna Diado, ce vendredi 26 juillet est le premier anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au Niger. Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui n'a pas été fait Que reste-t-il à faire <laughs> Mokhtar, je pense que c'est très tôt, en tout cas, pour tirer un bilan. Ah, c'est très tôt pour tirer un bilan parce que, en fait, pour avoir un bilan, il faut déjà aller sur la base d'un programme. donc, euh, moi, ce que je pourrais dire, je pourrais quand même un peu décortiquer à ma manière. C'est que quand je prends le secteur de la sécurité, ça veut dire que euh, là, euh, sincèrement et honnêtement, il y a encore beaucoup à faire. Parce que là, nous, on pensait qu'avec l'arrivée du CNSP au pouvoir, quand même, il y aurait euh, une petite accalmie, même si on ne peut pas tout éradiquer en même temps, mais quand même qu'il y aurait des poches qui seraient euh, aujourd'hui dans les filets. En En dans les filets des forces de défense et de sécurité. Puisque ça fait partie, en tout cas, des points qui ont été soulevés, qui ont été mis en avant pour euh, justifier le coup d'État. Euh, deuxièmement, quand on regarde la situation socio-économique du pays, la situation socio-économique du pays n'est pas aussi reluisante comme on, on l'attendait. Et là, et quand on regarde la flambée des prix des denrées de première nécessité sont là. C'est vrai qu'il y a eu l'embargo de la CDAO, mais après la levée de l'embargo de la CDAO, il y a et quand même et quand même on pensait que avec toute la résistance que les Nigériens ont pu résister durant les sept mois ou huit mois, on pensait que après il y aura une solution qui va venir peut-être du CNSP pour pouvoir alléger la souffrance donc euh, des ménages. Mais il y a la réduction du prix des hydrocarbures. Mais la réduction des prix des hydrocarbures, c'est avant-hier. Comparé aujourd'hui, les Nigériens seraient fiers que euh, la réduction, on prend une réduction pour réduire le sac de riz, pour réduire les produits de première nécessité. Mais quand un ministre du Commerce, excusez-moi, quand un ministre du Commerce sort pour dire que le prix est fixé tel et que jusqu'à présent, on les, continue, les, commerçants refusent les commerçants de respecter, refusent la, de respecter décision. la décision et qu'on continue à payer un sac de riz à 17 000, 18 000, donc ça veut dire que c'est quoi Donc est-ce que là, là, il n'y a pas échec au niveau donc du gouvernement. Puisque c'est le gouvernement qui fixe, c'est le ministre qui fixe. Et le ministre représente quand même le CNSP. Et là, je me dis qu'il faut revoir la copie pour que le programme, la vision qu'il s'est donnée pour le Niger soit... le, programme a été adopté avant-hier. Mais pour, euh, accompagner le programme, pour que le programme réussisse, mais il faut bien des gens, des personnes, des, des hommes intègres et des femmes intègres qui peuvent conduire à bien ce programme. Donc, s'il a déjà <laughs> un ministre qui sort, qui dit voilà le prix, et que des commerçants refusent d'obtempérer, je suis désolé. et, les autres secteurs Et quand on regarde, les autres secteurs peut-être... La diplomatie par exemple sur le, point de, la diplomatie, il y a quand même... Euh, ils ont pris des décisions euh, où ils ont quand même, n'oublions pas qu'ils ont euh, renvoyé les forces les, forces armées étrangères. Les bases militaires étaient déjà. On les a mis à la porte. Ça, il, y a eu la création de l'AUS. La création de la Confédération. Oui oui, Tout ça, c'est quelque chose de bon, de réfléchi. Il y a également euh, euh, le, la, dernière euh, décision qui a été prise, le retrait de des permis d'exploitation de, de Imouraren. Mm. Je pense que ça, quand même, on peut dire que c'est un bilan positif. Mais maintenant, rapidement, maintenant, rapidement ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment de revenir parce que la, situation socio-économique, c'est ça en fait que nous nous attendons, qu'on améliore cette situation-là. Merci beaucoup. Socio-économique. Merci beaucoup. Et du côté également, on, a constaté également euh, une stabilité de l'énergie, une stabilité. Ah, le courant électrique. Le courant électrique. Euh, c'était vraiment dans une perturbation qu'on a, on a vécu tous les 6-7 mois. Euh, mais maintenant, la stabilité euh, énergétique est là et on s'en félicite et on pense qu'ils vont faire mieux sur le plan corruption, puisque je n'ai pas encore parlé de la corruption, mais espérons que avec la Coldef, avec euh, <laughs> le montant que la Coldef est en train de, de, nous, de nous donner, peut-être que ça va améliorer également et, et on souhaite on souhaite vivement que le CNSP revoie sa copie dans plusieurs euh, domaines hein, pour le développement de ce pays-là. Merci beaucoup, M. Gado Hassan Boukar. Euh, durant un an de euh, transition dans un contexte de menaces d'agression et de vérité de déstabilisation du pays, le CNSP a adopté et mis en œuvre plusieurs mesures et actions dont entre autres au plan sécuritaire, au plan de la gouvernance économique et sociale et au plan euh, diplomatique des relations internationales. Quel bilan peut-on tirer au niveau de ces secteurs-là Merci, docteur. Je pense que le, euh, je, suis d'accord avec Memona. C'est un peu difficile de, tirer un bilan. Après un exercice. Alors, alors, du 26 juillet à aujourd'hui, c'est-à-dire que plus de la moitié du temps, on a passé presque une situation de survie. Sous, sous, sous des menaces, d'embargo, d'intervention. Le, le CNSP jouait pratiquement sa survie, puisqu'il était menacé de l'extérieur. Le pays en lui-même était sous embargo. Donc cette période a été quand même une période pendant laquelle on cherchait à survivre. C'est-à-dire que les frontières étaient fermées, les denrées ne venaient pas, les médicaments ne venaient pas, l'électricité suspendue. Il fallait survivre pendant cette période. Donc tout ce qui était fait, le CNSP cherchait à, se préparer à une éventuelle attaque. Donc euh, pendant cette période, je pense que ce qui se faisait, c'était surtout comment on se préparer face à l'éventualité de cette attaque. une bonne partie du temps a été cela. Maintenant, par la suite, une des choses qu'on attendait dès lors que l'éventualité de l'intervention de la CDAO a été, écartée, les, les, sanctions ont été levées, c'est surtout sur le plan sécuritaire. Rappelons-nous que pendant les régimes euh, déchus, que ce soit au Niger, c'est aussi valable pour les autres pays membres de l'AES, ce qu'on constatait, c'était la récurrence des attaques. Les attaques étaient récurrentes avec des bilans humains quand même lourds. On a presque la même situation encore. Donc de ce point de vue, euh, encore une fois, je rejoindrai Memona, il y a énormément de choses à faire. Même autour du bassin du lac Tchad, il y a comme une recrudescence des, attaques de Boko Haram. C'est vrai, beaucoup plus euh, senti sur le territoire nigérian, mais aussi euh, dans tous les bassins du lac Tchad, on sent que c'est comme s'il y a euh, un peu plus de résilience. Il y a, aussi y euh, deux, euh, factions de, de, rébellions armées. Oui, donc, dans cette zone, il y a ces rébellions qui sont annoncées. Donc, sur le plan sécuritaire, à mon avis, les défis sont encore énormes. Par exemple, moi, j'ai dû le dire dans ce studio, une des choses à laquelle je m'attendais, c'était par exemple des mesures particulièrement sensibles autour de la zone des trois frontières. Cette zone est devenue vitale pour nous, dès lors que, malgré la levée de l'embargo, euh, la situation avec le Bénin ne s'est pas clarifiée, la frontière restait fermée. Cette frontière était notre accès à la mer. Donc ça devient extrêmement sensible pour nous, c'est un point extrêmement important. Je pensais qu'il y aurait quand même des mesures qui permettraient à défaut de sécuriser totalement, de réduire davantage les attaques dans cette zone. Mais je vois qu'à euh, l'image de ce qui s'est passé avant-hier dans la zone de Terra, cette zone a encore beaucoup de difficultés. Donc, sur le plan sécuritaire, à mon avis, beaucoup reste à euh, faire. Beaucoup reste à faire. Et on a annoncé cette coalition des trois armées et tout ça. Euh, donc, j'imagine que les résultats, au vu de ce qu'on a vu, ça reste à venir. Donc, pour l'instant, c'est difficile. Sur le plan économique, cette période d'embargo, les gens quand même l'ont ressenti. Et une frange au de la communauté continue à le ressentir avec la fermeture de la frontière du Bénin. Donc, les denrées coûtent extrêmement cher, je pense que Mona l'a rappelé, ça coûte extrêmement cher. Et ça arrive dans un pays qui a vécu 10 ans de guerre, en tout cas dans cette zone, la guerre a duré 10 ans. Et la guerre a privé certains de leurs champs. Nous sommes en plein hivernage. Il y a des zones dans lesquelles tu ne peux pas te hasarder aux champs pour aller exploiter. Et ça fait des années que certaines communautés les vivent. L'insécurité a poussé certaines communautés nomades, notamment des éleveurs, à brader le troupeau parce que le troupeau était ciblé par les groupes armés. Donc, il y en a qui, ont été volés, totalement ils ont perdu. Il y en a qui ont été obligés de les brader. Donc, ils sont suffisamment fragiles. Alors, aujourd'hui, si vous dites le sac de mil, le sac de maïs avec les prix records qui ont été annoncés entre 40 et 50 000, ces communautés sont extrêmement fragilisées. Donc, sur le plan économique, le CNSP a fait l'expérience des autres régions. Qu'est-ce que j'appelle l'expérience Rappelez-vous de la Ve République. Qu'est-ce qu'on fait à la veille du ramadan Le gouvernement réunit les commerçants pour leur dire je renonce aux taxes. Ne faites pas la spéculation, n'augmentez pas les prix. Le commerçant ne paye pas les taxes et il augmente les prix. Le CNSP l'a fait à plusieurs reprises en disant on va prendre toutes les mesures pour que tout arrive. Je me rappelle de la sortie du général Chani où il disait dans les langues nationales ben, j'ai dit aux gens, regardez comment les Maliens ont résisté. Il ne faut pas qu'on ait honte. Il faut que les gens fassent leurs efforts. Mais il faut constater aujourd'hui que le marché, on n'arrive pas à le gérer. La seule solution qui s'offre, maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas d'entente possible avec les commerçants, la seule possibilité, c'est que, que l'État ouvre l'OPVN qui se mettent avant. Et, c'est ce qui est en train d'être fait euh, sur le terrain. À, mon avis, aujourd'hui, non seulement il faut qu'il le fasse, qu'il en fasse toute une politique. Pourquoi on a renoncé à l'OPVN C'est au nom d'un principe qui veut que l'État doit céder la libéralisation, la libéralisation pour que le privé le fasse. Nous avons en principe une exception nigérienne. Nous devons défendre, y compris à l'international, le fait que chez nous, la question agricole est une question vitale. Ce n'est pas simplement une question de commerce. Ce n'est pas une question de respecter les règles de l'OMC. Chez nous, c'est une exception. C'est une menace de la communauté nationale. On a essayé le marché. On sait qu'aujourd'hui, avec les règles du marché, on ne peut pas échapper à la famine ni aux crises alimentaires. L'État doit prendre son courage et dire les autres secteurs, on peut toujours les laisser au privé, mais le secteur alimentaire agricole, l'État doit refuser de se soumettre à d'autres règles. Il faut que l'État vende les vivres on voit bien que, qu'est-ce qu'on fait On réunit les gens, on dit fils on fait appel à Dieu, on fait appel à toutes les religions, on dit, on, renonce au tact. On a tout mais essayé. Mais comment faire euh, dans, mais il faut que L'État vienne. cest que l'État Oui, en, dehors de cette euh, éventualité, y a-t-il une autre option pour l'État Mais écoutez, euh, l'État le fait, l'État sait le faire on a fait la copro, non L'État de ah oui, on a subventionné. Le problème est là. L'État peut acheter les vivres et les vendre de façon à fixer les prix. Si l'État le vend, les autres fixeraient les prix parce que les gens auraient au moins le choix. Aujourd'hui, on a laissé un quasi-monopole au marché. Et donc, du coup, ça, menace la vie des gens. On ne peut pas, euh, sous le prétexte de respecter les règles du libéralisme, etc., etc., menacer la vie des gens. Ah, quel est-il pour euh, les autres secteurs, tels que la diplomatie, les relations internationales Sur le plan politique, il y a quelque chose qui a été lancé. Là, c'est nouveau, c'est difficile de dire un bilan. C'est la création de l'AES. Alors là, quand on regarde les réactions, ça a été apparemment bien accueilli, un peu par Et la confédération du, Sahel, donc ça a été bien accueilli. L'AES veut être une confédération, en tout cas, il l'a fait, ça a été signé ici à Niamey récemment. Euh, ça, il faut attendre de voir pour juger les, résultats. Mais sur le plan social-politique, c'est aussi, il y a deux semaines ici, on parlait de la libération de Soumana, de Maïga, de, l'enquêteur. Ah. Euh, un autre acteur a été interpellé hier, euh, euh, Kakatouda. Donc, il, y a aussi cette pression, je crois, sur une catégorie d'acteurs euh, qui fait que... Le monde des médias. Voilà, il y a quand même des inquiétudes aussi sur la façon dont le CNSP gère. À ma connaissance, la maison de la presse n'est pas encore relancée. Donc, il y a quand même... L'ONC aussi. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses quand même de ce point de vue qui montrent que pour l'instant, euh, le bilan n'est pas positif. En tout cas, on ne voit pas des éléments d'appréciation positive. Merci beaucoup, Hassan Boukara. Abdoulaye Soumana, rapidement. L'ambition clairement affichée du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, est un Niger véritablement indépendant et prospère. Comment appréciez-vous euh, le bilan du CNSP après un an de gestion euh, du pouvoir d'État Oui, un Niger euh, véritablement indépendant et, prospère. C'est même ça, sa, vision qui a été rendue publique il y a quelques jours par le Premier ministre Lamine Zen au cours d'un point de presse où il y a eu quatre axes qui ont été définis. Maintenant, en 12 mois, cette vision a été rendue publique seulement euh, avant-hier, hein, comme on le dit, il y a de cela deux semaines maximum, je crois bien. Maintenant, si on fait un retour en arrière, un flashback euh, sur les 11 mois, maintenant, il faut essayer de dire que euh, du point de vue de la quête de la souveraineté, les Nigériens étaient restés debout aux côtés du CNSP qui a vu le départ, n'est-ce pas, donc euh, des troupes euh, surtout françaises, n'est-ce pas, et, américaines. Et américaines qui leur ont emboîté le pas. Et maintenant, les Allemands qui sont en train de partir de leur propre chef, c'est pas que le pouvoir nigérien leur a dit de partir, mais ils ont estimé que bon, il y a quand même des, il un quoi quelque part qu'ils pouvaient continuer à rester sur place au Niger. Alors, du point de vue euh, souveraineté, la quête de la souveraineté sur cet aspect sur ce plan purement sécuritaire, le CNSP est en train de revoir euh, les contrats qui, le liaient, euh, qui liaient les autorités d'antan, n'est-ce pas, à notre, euh, à, aux notre sociétés minières. Aux sociétés minières également. Et on a également constaté que le brut nigérien a coulé pour aller jusqu'au port de Semé krake Semé Poji, autant, autant pour moi, même si les deux localités sont, sont mitoyennes. Mais malheureusement, il y a eu des démêlés qui ont conduit à ce que le peuple ne soit, les ventes soit à cause justement du comportement du président béninois Patrice euh, Talon. Oui, Ablaï peut-on réellement dire aujourd'hui que le Niger est véritablement indépendant? L'indépendance, moi, c'est un concept que l'on dit, mais je ne crois pas si nous, dans notre chair, on peut dire qu'aujourd'hui on est indépendant, étant donné que nous sommes en train de diversifier nos, partenaires pour pouvoir nous appuyer à plusieurs, sur plusieurs euh, Aspect de, la gouvernance socio-économique. Nous avons vu euh, le Premier ministre qui est parti euh, en Turquie, euh, en Libye, en Iran. en tout ça. il y a eu des offensives diplomatiques, n'est-ce pas, qui ont, on peut le dire, une certaine percée diplomatique, même si par ailleurs, avec les Occidentaux, nous sommes en train de, de nous en séparer. Merci pour vos premières analyses sur notre premier sujet, le bilan, l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. Les inondations constituent une menace récurrente au Niger. Selon un communiqué du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, les inondations de cette année ont affecté au Niger plus de 18 000 personnes, soit 2500 ménages. Le bilan fait état de plus de 50 pertes en vie humaine, plus de 1500 maisons et salles de classe effondrées. Par ailleurs, on note également qu'environ 11 000 têtes de bétail ont été emportées. Hassan Boukar, pour une réponse face aux inondations, les acteurs humanitaires travaillent à prépositionner des stocks euh, disponibles en appui au gouvernement selon un communiqué de OCHA. Que faire pour apporter secours et assistance le plus rapidement possible à toutes ces victimes Alors, le, plus rapidement, c'est justement de venir en aide à ces, à ces populations. Je pense que on est un peu habitué à ça maintenant, euh, puisque de plus en plus les périodes de, de pluie se traduisent par ces inondations, l'effondrement des maisons, des victimes humaine, animale, etc. Donc, euh, ce qu'on peut faire dans l'urgence, c'est d'apporter des vivres, d'apporter des médicaments, de surveiller les espaces dans lesquels ces personnes sont pour éviter des épidémies. Parfois, euh, ça occasionne aussi des épidémies. Il, doit y avoir une surveillance accrue et puis euh, un appui. Maintenant, à long terme, on sait que c'est aussi lié au changement climatique. Je crois que euh, selon la télévision nationale, c'est dans la région de Zander où j'ai vu en deux ou trois jours une localité qui a eu près de 300 mm. Donc ça veut dire que. par exemple. Voilà, voilà. Ça, montre quelque part qu'il y a un phénomène mondial qui touche aussi nos pays, euh, lié au changement climatique, qui fait que c'est quand même difficile. Hein, est-ce que ce n'est pas un défi énorme pour le gouvernement actuel euh, du Niger Ah oui, mais c'est un défi pour tous les pays. Euh, on voit bien aujourd'hui, même les grandes puissances, celles qui ont les moyens, avec la récurrence des typhons, ces inondations, on le voit un peu en Asie et tout ça, dans toutes les régions du monde aujourd'hui. C'est une situation extrêmement difficile. Maintenant, ce que ça demande, est-ce que nous devons réfléchir sur nos politiques d'habitat Imaginez une ville comme Yamé. Aujourd'hui, euh, vous avez des gens qui habitent dans des zones inondables, le long du fleuve. Est-ce que vous pouvez avec des constructions en banco Oui, est-ce que vous pouvez continuer à construire en banco dans ces zones On se pose des questions. On a été surpris des années par des niveaux de pluie un peu plus importants dans le Kawar, à Agadez, des zones où on utilise. même à Niamey, à la rive droite. Mais, mais j'évoque ces zones parce que c'est des zones dans lesquelles il pleut rarement. Du coup, le type de matériaux utilisés par les populations ne résiste pas à la pluie. Par exemple, vous avez une sorte de banco mélangé avec, euh, avec, du sel. Donc, du coup, quand il y a un niveau de pluie qui est plus élevé que d'ordinaire, finalement, tout fond. Et donc, y compris ces zones, aujourd'hui, elles sont exposées à ces types de changements qu'on constate depuis quelques années. À mon avis, il faut peut-être engager une réflexion. Euh, dans ces zones, vous êtes plus en sécurité dans votre maison en paillote que d'être dans une maison en banco. Donc, il y a forcément une réflexion et je pense que le gouvernement devait pousser les gens, euh, les orienter vers ce type de réflexion pour euh, sécuriser davantage les communautés. Mais on, on est victime d'un phénomène qui se fait à l'échelle mondiale aujourd'hui. Merci beaucoup Hassan Boukara. Abdoulaye Soumana, le ministère de l'Action humanitaire et la gestion des catastrophes a, depuis le 3 juin, activé la cellule de crise sur les inondations pour coordonner les efforts de réponse. Quelles sont les attentes de toutes ces populations qui ont presque tout perdu Oui, les attentes, Hassan vient de le dire, hein, c'est l'urgence, c'est l'aide la ministre également. L'aide alimentaire. Euh, euh, et le recasement. La ministre est présentement en, tournée à l'est, euh, à l'intérieur du pays. Elle a fait Zender, elle a fait Maradi. Maintenant, dans un point de presse que j'ai suivi sur la télévision nationale, elle a parlé justement de ce que vous venez de dire, l'opéranisation, n'est-ce pas, donc, de, de l'alerte. les besoins qui ont été exprimés a de concert, OCHA estime qu'il faut, il faut mutualiser les, les, actions, les efforts avec la partie gouvernementale et les organismes. Les organisations humanitaires. Humanitaires euh, encore sur place au Niger qui, sont, veulent collaborer, contribuer, apporter leur, euh, leur touche, n'est-ce pas, dans cette situation de détresse que vivent nos populations sinistrées. On l'a vu, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une récurrence, OCHA même l'a relevé, surtout qu'il y a eu mort d'hommes jusqu'à une cinquantaine des pertes en vie, euh, en, vie humaine. ensuite en bétail et des maisons qui sont effondrées. Des maisons et des classes. Euh, des classes également effondrées. L'urgence, c'est que ces sinistrés, ces gens qui sont en détresse, il faut les euh, reloger et leur apporter l'assistance nécessaire pour pouvoir survivre le temps que la saison des pluies finisse et que bon, on puisse revoir, n'est-ce pas, un grand un vaste programme et, pour pouvoir, n'est-ce pas, éviter que chaque année, avec les inondations, n'est-ce pas, que les populations soient victimes de ces eaux. Merci beaucoup Abdoulaye Soumana Selon les prévisions, la saison des pluies sera exceptionnellement humide cette année avec des précipitations supérieures à la moyenne attendue dans les zones déjà sujettes aux inondations. Que faire pour limiter les dégâts et les catastrophes ça, là, c'est arrivé trop tard parce qu'il fallait prendre les préventions, les dispositions. en amont avant que ça n'arrive. Il fallait anticiper. il fallait anticiper. Et on a toujours euh, interpellé l'État dans la manière de procéder. Euh, maintenant, il faut aller également vers euh, une urbanisation moderne de nos villes. Mais est-ce que l'État du Niger actuel a les moyens. Euh, non, mais je ne parle pas seulement de l'État actuel. C'était quelque chose qu'on devrait faire depuis, depuis, longtemps. Depuis très longtemps. Et parce que c'est récurrent. Donc, quelque chose qui est récurrent, ça veut dire que c'est un État là. Le gouvernement ou quelle que soit la personne qui s'y trouve à la tête de ce pays, <laughs> il y aura toujours un État. L'État, c'est toujours le Niger. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des dispositions qu'on devrait prendre. Mais quand on ne prend pas des dispositions. selon, selon vous, l'État a failli à ce niveau. Mais l'État a failli. L'État a failli parce que, en fait, c'est quoi C'est une continuité. depuis 2012, quand même, hein, le pays est, confronté à ces Voilà, donc c'est une continuité. Moi, je me dis que quand c'est une continuité, ça veut dire que vous avez déjà les, les, chiffres, les estimations et tout de l'année passée. Donc, ça veut dire que c'est à ça que vous devrez vous fier pour pouvoir euh, recadrer les choses, pour minimiser, même s'il y aura catastrophe, minimiser la catastrophe. Mais quand il n'y a pas de d'anticipation et on se retrouve nez à nez avec ces, ces, pluies, les dégâts, les et les catastrophes. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on doit essayer de voir un plan B pour pouvoir euh, ne serait-ce que diminuer ces catastrophes-là Ces catastrophes, c'est des catastrophes naturelles on ne prévoit pas, on ne sait pas quand ça va venir, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas dans quelle zone il y aura plus de, catastrophe on ne sait pas. C'est vraiment euh, la nature. Hein. C'est la nature. Et là, je me dis que c'est pour ça que on devrait, ou bien l'État devrait associer tout ce qui devrait être associé pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir voir un plan B en cas de catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire c'est ça, en fait, réfléchir ensemble. Et également sensibiliser, continuer toujours à sensibiliser les populations. Sensibiliser les populations et non pas sensibiliser seulement les populations. Permettre que les, matériaux de construction soient accessibles à tout le monde. Le ciment, oui, que ça soit accessible pour que ces gens-là, ces personnes-là qui sont toujours en train de vivre dans les bancos, puissent au moins avoir la possibilité aussi de construire une maison adéquate. Oui, qui va les mettre à l'abri. C'est une solution. C'est aussi une solution. Réduire dans les, les, matériaux de construction. Ça serait vraiment quelque chose qui va, <laughs> en tout cas, permettre à, certaines, à certains quartiers de Niamey, quand je prends l'exemple de Niamey, d'être quand même modernisés. Mais quand tu n'as pas, tu cherches déjà le coût de la vie. C'est très cher, c'est élevé. Quand tu vois qu'un sac de riz tu te permets aujourd'hui un sac de ciment ou le matériel que tu vas avoir à côté, mais tu vas avoir le prix de sac là, mais tu, vas nécessairement peser le pour ou le contre, <laughs> amener de quoi manger chez moi, ou bien je mets de l'argent de côté pour construire. Je fais quoi Ventre affamé n'a point, point de. point d'oreille, coutume de mais Donc, mais si aujourd'hui, avec le ciment que nous avons ici, au Niger, si on réduit dans le ciment, on réduit dans les trucs de matériel. Je suis sûr que. Mme cette situation présage-t-elle une bonne campagne agro pastoral au Niger Les fortes précipitations, par exemple Les fortes précipitations que vous voyez là, à part faire des dégâts dans certaines zones, je ne vois pas en quoi ça peut améliorer certaines cultures. Parce que certaines cultures n'ont pas besoin assez d'eau. En tout cas, ne résistent pas. Maintenant, il y a cette situation d'insécurité qui ne permet pas aux populations, à certaines populations en tout cas, <laughs> de faire ces travaux champêtres. Donc, il faut regarder aujourd'hui la zone de Tilaberi, une partie de Difa, une partie de Maradi, parce que Niamey, on ne, parle pas de Niamey, puisque Niamey, ce n'est pas une zone agricole. agricole. Tawa et les autres. Donc, ça veut dire que on peut avoir autant de pluie, mais on peut aussi avoir des déficits alimentaires. Ça, il faut s'attendre à ça aussi. Et là-bas aussi, c'est des mesures que l'État devrait, dès maintenant, en tout cas ne même pas attendre la fin de la période agricole pour pouvoir voir où est-ce qu'il est nécessaire d'approvisionner en mille, en maïs ou en sorgho. Merci beaucoup pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Au moins 15 soldats ont trouvé la mort lors d'un accrochage lundi dans la zone des trois frontières, plus précisément à Foneko, sur l'axe Bankilare-Terra dans la région de Tilaberi. Selon un communiqué du ministère de la Défense publié mardi, l'accrochage a eu lieu entre une unité des forces de défense et de sécurité nigériennes et des hommes armés. Par ailleurs, 21 assaillants ont été neutralisés lors des affrontements rapporte le site d'information Actu Niger. à Soumana, que peut-on savoir au sujet de cette nouvelle attaque qui a encore endeuillé de nombreuses familles au Niger C'est une attaque euh, de trop et une attaque euh, et des attaques qui se multiplient, notamment dans la zone des trois frontières. Terra fait partie de la zone des trois frontières. Terra est également une localité stratégique euh, pour notre pays, à savoir l'approvisionnement le passage, convoi, de convoi en, provenance de, du port de, Lomé. port de Lomé via, via, Fadang, euh, n'est-ce pas, pour venir à, à Donc, euh, cette situation d'insécurité inquiète à plus d'un titre. Et sa récurrence et sa, et, et sa, fréquence dans la même zone, on a vu il y a de cela euh, une dizaine de jours, une autre localité a été le théâtre, n'est-ce pas, donc d'attaque qui a fait mort d'hommes. Donc il y a vraiment des raisons de, de, s'inquiéter et ça pose la question de la gestion de cette crise euh, sécuritaire. L'une des justifications, n'est-ce pas, donc du coup d'État qui a porté le CNSP au, pouvoir. C'est la situation sécuritaire. Bah, c'est ce qu'ils ont dit dans leur première euh, déclaration, étant donné qu'ils ont dit que près d'une dizaine d'années, la sécurité n'a euh, le Niger était en train de payer un lourd, un lourd tribut avec malgré l'assistance de la des puissances euh, occidentales, étrangères. Voilà. Mais en chemin faisant, en 12 mois de gestion, c'est vrai, il ne faut pas se leurrer, que ce n'est pas euh, du jour au lendemain qu'on peut venir à bout de, de l'insécurité. Mais je crois que, étant donné que c'est des militaires eux-mêmes, qui sont au pouvoir. La plupart d'entre eux sont allés sur le front, donc ils connaissent euh, les enjeux, ils connaissent toutes les difficultés. Je crois bien qu'au moins on aurait quand même penser qu'il y aurait un certain soulagement, un temps soit peu pour que eh, cette sécurité, ces morts d'hommes-là eh, ne soient pas, eh, n'est-ce pas, très, très, très importantes. Mais à l'épreuve des faits, on constate malheureusement à notre corps défendant que l'insécurité est en train de gagner du terrain. On prend Terra, on prend Tilaberi, et même euh, à côté de, tout près de Niamey, à 55 km de Niamey et ça et tout ça. Donc il y a vraiment des raisons légitimes de, s'inquiéter par rapport à cette gestion de la, de la, sécuritaire. Quand bien même nous avons un partenaire de, taille, je crois bien, les, les, Russes, et récemment le pouvoir a eu à signer, à rencontrer euh, les Turcs qui ont quand même une, une certaine expérience dans la gestion, n'est-ce pas, donc du, terrorisme. tout ça là. Ben, on pourrait vraiment dire qu'en un an, c'est un peu, un peu trop. Hassan l'a dit tout à l'heure. Mais il y a des raisons euh, d'espérer. Oui, bien, bien, sûr, il y, a, vraiment des raisons légitimes d'espérer, c'est ça. du jour au lendemain, on ne peut pas dire que non, on peut venir à bout de, de, de l'insécurité, mais avec les nouveaux partenariats qui sont scellés et le reste sûrement les autres qui viendront, on, pourra, on pourrait dire que peut-être il y aura un certain appui logistique, euh, des, partenariats même avec euh, les pays de, l'AES. Nous avons une armée commune, je crois bien, mm-hmm. désormais. Donc, qui pousse à ce que eh, les militaires des autres pays eh, pourchassent jusqu'à leur dernier retranchement donc les terroristes. Donc il y a vraiment des raisons d'espérer, mais pour l'instant, en 12 mois, on peut estimer que vraiment la question sécuritaire laisse vraiment la gestion de la question sécuritaire laisse à désirer. Merci beaucoup Abdoulaye Soumana Diado. Un bilan provisoire fourni par le ministère nigérien de la Défense nationale fait également état de 16 blessés et 3 disparus, a précisé la même source, ajoutant que 21 terroristes ont été neutralisés. Quelle est votre opinion au sujet de cette énième attaque Mon opinion, c'est que euh, c'est vraiment triste d'abord de constater que euh, chaque jour qu'on se réveille, on nous parle d'attaques. De, et je me dis que c'est alarmant. Et on l'a toujours, euh, on a toujours décrié de manière hein, pour dire que il faut nécessairement qu'il y ait une cohésion ou une collaboration entre les forces de défense et de sécurité eux-mêmes d'abord, et ensuite la population. Il faut créer ces conditions-là. Il faut armer les forces de défense et de sécurité. Il faut les équiper. Et il faut les sensibiliser parce que ceux qui y vont sur le terrain. Vous parlez de la vigilance. Oui, en fait, c'est vraiment insister sur la vigilance, insister sur le comportement de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, si l'ennemi arrive à faire des embuscades à nos forces de défense et de sécurité, il faut se poser la question. Comment est-ce que c'est arrivé Est-ce qu'il n'y a pas eu petite, peut-être une toute petite baisse, de vigilance. une baisse de vigilance qui a amené cela Il faut enquêter selon vous. Il faut, oui, et il faut les sensibiliser, comme je dis, parce que c'est des jeunes. Il faut les sensibiliser pour leur dire que vous êtes sur un terrain de guerre. Et en temps de guerre, tout est possible. Donc faites très attention. L'ennemi peut frapper à tout moment. L'ennemi peut frapper à tout moment et l'ennemi est parmi vous. Ça veut dire que vous cohabitez avec l'ennemi. L'ennemi peut paraître dans plusieurs formes. Donc c'est à vous d'être plus vigilant. Aujourd'hui, regarde les, les treillis militaires. Ça se trouve un peu partout. Tu n'as pas besoin, avant c'était seulement dans les casernes. Mais aujourd'hui, les tissus des treillis militaires, c'est un peu partout que tu les vois. L'ennemi peut, <laughs> de toutes les manières aussi, se mettre dans ces, mêmes tenues-là pour pouvoir venir essayer d'attaquer. De, t'attaquer essayer de, s'approcher plus. Parce que celui qui voit un militaire de loin, tu penses que c'est, c'est, c'est, vraiment un militaire, c'est, c'est ton compagnon. Alors que tu ne sais pas que peut-être que l'individu, là, c'est seulement l'habit qu'il a porté. C'est ça, pour ça que j'ai dit, il faut la vigilance. Et aujourd'hui, il faut sensibiliser ces jeunes-là. En temps de guerre, on ne s'accroche pas sur ses portables, sur ses... Oui, oui, parce qu'aujourd'hui... On ne baisse pas la vigilance. les smartphones, là, sont en train de déstabiliser euh, à un moment donné aussi nos forces de défense et de sécurité. Mettez la vigilance, équipez les forces de défense et de sécurité, donnez-leur la possibilité, quand l'ennemi est en face d'eux, d'avoir l'armement nécessaire pour pouvoir résister face à l'ennemi. C'est très important. Et également, sécuriser, pourquoi pas, en faisant euh, avec des drones. Pourquoi pas mettre des drones aussi à la disposition de cette région pour que l'ennemi, même s'il y a des mouvements, qu'on puisse alerter à temps pour dire qu'il y a des mouvements dans telle zone. C'est ça en fait. On a besoin d'équipement, on a besoin d'informations. Ils ont besoin de tout ça là. Ils ont besoin d'être accompagnés moralement et physiquement. Les forces de défense et de sécurité. Les populations collaborer ne serait-ce que collaborer, donnez-nous les informations. Parce que l'ennemi se trouve dans cette même population. Et pourquoi jusqu'à présent on se pose la question que c'est la zone de terrain là, jusqu'à présent, où on n'arrive pas à vraiment euh, cerner, indiguer, indiguer euh, ce phénomène-là. Regarde Adifa, on ne parle plus maintenant d'attaque à Difa ou des trucs, mais parce que je me dis que celui qui a Difa comme gouverneur, il est en train de travailler aussi. Parce que tu le vois sur le terrain, tu le vois en contact avec la population, tu le vois en train de faire des actions de sensibilisation. Il va à la, rencontre de ces populations pour leur dire faites très attention, Difa là, ça vous appartient tous. Donc si ça brûle, ça veut dire que nous brûlons tous. Maintenant, peut-être, c'est de faire les mêmes actions d'approche pourquoi pas pour la zone de Tilaberi également. Merci beaucoup, Mme Diado Hassan Boukar. Cette attaque survient près d'un an après un coup d'État qui avait porté le 26 juillet 2023 le CNSP au pouvoir, une prise de pouvoir justifiée par la dégradation de la situation sécuritaire. Ablaï Soumana l'a rappelé tout de suite. Que faire pour arrêter l'hémorragie alors, c'est une question difficile, Mokhtar. Je pense que euh, une des choses que chacun dit aujourd'hui, ce qui a permis un moment aux armées de la sous-région de prendre le dessus sur ce groupe armé, c'est le vecteur aérien c'est-à-dire euh, avec les drones, avec les, en tout les cas, d'attaque. Voilà, on l'a vu un peu au Mali avec euh, l'appui de leurs partenaires russes, ils se sont équipés. Et, au Burkina Voilà, ça a permis un peu d'avoir le dessus, en tout cas à certains moments face au groupe. Et ça a permis de stabiliser aussi beaucoup de zones. Euh, lorsque vous avez en face un ennemi qui s'en prend aux populations civiles, qui essaie de surprendre l'armée, il peut toujours avoir des attaques. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, faut pas simplement jouer le tout, le tout militaire. C'est-à-dire, euh, il y a le fait que lorsque les personnes euh, armées sont en face, vous, résistez, vous essayez de vous battre. Mais il faut aussi travailler les communautés. Tout le monde dit que ces groupes armés sont aussi au sein des communautés euh, dans les zones de conflit. À mon avis, il faut travailler les communautés. il faut aussi travailler les questions de développement. Il faut réfléchir sur les mécanismes par lesquels c'est déjà recruté au sein des communautés, les voies par lesquelles ils se ravitaillent, euh, il y a forcément des voies par lesquelles ils se ravitaillent, ils ont des motos, ils ont des carburants. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment de renseignements sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'une des stratégies dans les conflits, c'est aussi de connaître les sources de ravitaillement de l'ennemi et de bloquer ces sources-là, que ce soit en termes de recrutement des ressources humaines ou du matériel, ces motos qui arrivent, ce carburant qui va dans ces zones, il y a forcément des, canaux par lesquels ça passe. Il est vrai que la difficulté, c'est l'étendue territoriale dans laquelle euh, se fait ce conflit, mais à mon avis, il y a le côté militaire, mais il faut aussi trouver les moyens de regarder vers d'autres stratégies qui permettent, à mon avis, euh, de faire en sorte que les communautés collaborent beaucoup plus avec l'armée qu'avec les, groupes euh, armés, qu'il y ait des investissements, des actions de développement dans ces zones aussi. Euh, quand on dit tout de suite qu'on ne peut pas aller au champ, on ne peut pas aller cultiver, c'est aussi valable dans ces zones où ce groupe-là agit, hein, c'est valable pour tout le monde. Il faut bien que l'État essaie d'aider et tout ça. En tout cas, à mon avis, euh, les discussions avec les communautés, les, les, les, les stratégies, surtout des renseignements, là, ce qu'on voit aujourd'hui, ça veut dire que dès que le coup est porté, il y a forcément un bilan humain qui, qui, est assez lourd. Là, on parle au moins de 15 morts. ce qui permet de prévenir, c'est le renseignement. Il faut donc aussi davantage développer le renseignement, mais encore une fois, mutualiser les efforts aussi, hein, puisque là, dans le cas de l'AES, il y a déjà des annonces qui ont été faites, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas là. C'est-à-dire que ce qu'on voit avec le coût humain, euh, les attaques qu'on voit ici, au Burkina aussi, hein, ils, ont aussi ils sont victimes des attaques, ça montre que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le bon bout. Donc il faut davantage réfléchir, réajuster les, les stratégies au vu des constats qu'on a sur le terrain, mais aussi n'est pas, n'est pas exclure, quelle que soit la stratégie. En tout cas, si elle permet d'aller vers la paix, il ne faut pas l'exclure, hein. y compris aller parler avec les, les, groupes qui sont connus, identifiés. Organiser des forums intercommunautaires. Oui, forums intercommunautaires, mais y compris avec les groupes armés. Hein. Si, si, si, ces groupes se prêtent à une discussion, même autour des revendications, l'enjeu, c'est la paix. C'est des questions si on peut engager toutes ces questions-là, à mon avis, il faut le faire. Rendons-nous compte que le tout militaire montre quand même ses limites. Euh, regardez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut discuter avec des gens qui n'ont pas de revendications particulières Mais, mais parfois, c'est facile aussi de dire qu'ils n'ont pas de revendications. La meilleure façon de le constater, c'est d'engager les discussions. Et puis, prenez un pays comme le nôtre aujourd'hui. Rapidement. On, a 2000 km de, de, pipeline pour amener le pétrole au port. On sait que le Niger attend beaucoup. Comment vous le sécurisez si vous n'avez pas la paix On ne peut pas mettre un policier à chaque mètre. Ce n'est pas possible. Et donc, créer un environnement sécurisé, c'est vital pour notre pays, puisqu'on on compte beaucoup sur des ressources comme le pétrole. Il y a tout un travail à faire, mais on sait que le tout militaire ne sera pas la solution. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de la presse euh, sur le studio Kalangou. Merci à nos invités, Memoune Gado, journaliste indépendante, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes pour votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. Euh, à la prochaine.